làquk sëriñ bi sax lii ñu nar moom a gën a metti si loolu ndax Ce qu'ils veulent faire à Sir est impitoyable, car Sir Béthio a toujours demandé s'il quitte ce monde qu'on l'enterre à Medina Salam. Ce qu'ils ont décidé sans nous en parler est irrespecté et nous le déplorons vraiment. Ils ont trahi Sir Béthio car il avait déjà fait ses œuvres. Ils ont trahi Serine Béthio, mais ils nous ont poignardé, nous les talibés, quand même. C'est inadmissible et irrespecté. Il fallait qu'ils respectent la dernière volonté de Sir Béthio qui de se reposer ici à Medina Salam. Ce nous n'allons pas accepter cela c'est qui nous s'il quitte ce monde qu'on l'enterre On est prêt à tout faire pour ici. on l'aime et on respecte ses décisions car on a laissé nos mamans, nos papas, familles, entre autres, pour énigma euh, cher Cheikh Ses enfants ne connaissent rien de lui. C'est nous, ses disciples, qui le connaissent euh, mieux que ses enfants, raison pour laquelle il nous a amenés ici à une salam nous a donné des maisons et des marins. Depuis, on est là et nous allons tout faire pour qu'on l'enterre ici à Medina Salam, car c'est ça que mérite Cheikh Bédio vraiment, vu tout ce qu'il a fait pour nous Tiantakoun. je di dox di tax ñun C'est de la politique. Euh, les séances, euh, par exemple, je veux dire que les élections passées, le PLS avait décidé de ne pas participer. Voilà, donc euh, c'est ce qu'ils vont encore essayer de faire. Voilà, parce que tout le monde sait que Karim, sa situation ne plaît pas du tout aux responsables du PLS. Donc c'est pour cela peut-être qu'ils ont pris une décision pareille. Mais tout ça c'est politique. Hein. Euh, quant au camp du président de la République, ceux qui sont dans la mouvance présidentielle, ils vont essayer d'attirer l'attention, l'opinion au niveau international pour faire croire aux gens qu'au Sénégal, il y a de la démocratie, euh, il y a, un dialogue entre opposition et pouvoir, alors que moi je dis que c'est tout à fait le contraire. Voilà, c'est des gens de pièges qu'ils essayent toujours de tendre à l'opposition, donc voilà, c'est ça. Mais pratiquement, je ne pense pas que... Il y a, les gens, même les Sénégalais, je dirais que ne collent pas beaucoup d'importance à ces histoires de dialogue. Hein. Il n'y peut y avoir que deux choses, soit qu'il répondent à l'appel du chef de l'État ou bien il boycottent. Mais il faut qu'il euh, soit responsable et répondre à l'appel euh, du président. Il est le chef euh, et on doit l'obéir vu qu'il a été choisi par le bon Dieu. Il faut que l'opposition arrête ce jeu de yo-yo. droite ne doit pas rejeter cette méthode. Il était chef de l'État et savent bel et bien que veut dire un dialogue. C'est leur droit le plus absolu de boycotter ce dialogue, vu ce qui s'est passé avec l'arrestation de Khalifa Sall et de Karim Wad. Je suis d'accord de leur démarche. Ceux qui veulent répondre aussi n'ont qu'à aller répondre à cet appel du gouvernement. La maçonnerie est un métier difficile en temps normal. Elle devient plus pendant le mois de Ramadan. On travaille de force, sous le soleil dans les chantiers. Les maçons sont dans le calvaire, trouvés dans un chantier de R 4 à la Liberté 6 Extension, en train de s'atteler à le travail. Ce maçon ferrailleur avance. C'est dur, mais nous remercions le bon Dieu. On jeûne et en même temps on travaille on ne le sent pas. Parfois, on est obligé de rester ici jusqu'à 19h, l'heure de la rupture, et c'est normal, ça ne nous dérange pas. Ils endurent entre 8h le matin et 18h à la descente. C'est ce qui pousse cet architecte et designer à nous expliquer leur méthode de travail durant ce mois de Ramadan. Vous savez, c'est pas évident de travailler euh, euh, pendant le mois de Ramadan, mais ce qu'on cherche à faire dès l'entrée des jeux, d'organiser les journées, de les écourter le maximum possible et faire en sorte que la fatigue ne se, se ressentira moins davantage. Et parmi nos méthodes de travail, on fait en sorte que de commencer tôt et de faire de temps en temps des pauses périodiques. Et quand on commence à sentir euh, certains des éléments commencent à s'affaiblir, à être plus ou moins un peu fatigués, on ne leur force pas à travailler. Toujours, ils continuent tout en expliquant qu'ils veillent sur les conditions de travail, mais aussi sur leur état de santé. On mettra toujours euh, en place, euh, en priorité, je veux dire, leur état de santé. On veillera sur leur fatigue. Et eh bien, de temps en temps, ça nous est arrivé de voir un maçon qui ne réussissait pas à continuer ben, son ramadan à cause de la fatigue, ben, on l'a forcé à arrêter. Et, entre autres, voilà, on veille plus sur leur sécurité, on veille plus sur leur bien-être, on veille plus sur leur confort, euh, qui ferait que le mois de Ramadan ben, n'impacterait pas non plus le travail. Et puis on s'organise, il y a des journées où on fait plus de nettoyage et d'entretien. En cette période de Ramadan, les ouvriers et architectes se côtoient dans les chantiers. Malgré le fait de jeûner et de travailler et dur, surtout avec le métier qui nécessite autant d'efforts physiques. Durant ce mois béni du Ramadan, les restaurants ne se désemplissent pas. Dans un pays à 95% des musulmans, comme le Sénégal, si certains sont confrontés à des maladies, d'autres estiment que le Sénégal est un pays laïque. Ce vendeur de restaurants, trouvé sur son lieu de travail, met l'accent sur la laïcité qui existe dans ce pays. Il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi des, des chrétiens, il y a des animistes. Voilà, nous on ne gêne pas. Nous, manches. donc, euh, Est-ce que les clients viennent Oui, évidemment, évidemment. Ouais, c'est un pays like parce au Sénégal, on en trouve euh, même des Sénégalais d'origine qui sont chrétiens, voilà, qui viennent manger chez nous ici. Bon, voilà. Donc, euh, on soutient les musulmans, mais aussi, nous on mange quand même parce qu'on ne jeûne pas. <laughs> Il ajoute que les clients viennent normalement durant ce mois de Ramadan. Oui, il y en a des musulmans, mais qui viennent souvent à l'heure de la rupture. Voilà, puisque ici, il y en a qui ne sont pas mariés, qui sont, qui sont en tout ça. Donc, euh, ils viennent là manger. Mais ils viennent à euh, l'heure de la rupture aussi. Ils, prennent des plats emportés et puis euh, ils prennent aussi pour commencer le jeûne, tu vois. Pas vraiment, pas vraiment. Parce que la plupart de nos clients ne sont pas forcément des musulmans. Ben, pas vraiment, pas vraiment. Parce que même les musulmans que nous avons comme clients, ils viennent soit euh, lors de la rupture, venir chercher le repas, tout ça. Malgré que ce n'est pas recommandé par l'islam, mais le business des restaurants et les gargotes continue de marcher comme avant en ce mois béni du ramadan. avec le ramadan on vend de l'alcool mais ça marche un peu ce n'est pas comme en temps normal avec ce ramadan notre chiffre d'affaires est en baisse je ne vends pas à n'importe quelle personne il faut avoir plus de 18 ans mais la plupart de mes clients ont 35 ans et plus parmi mes clients il y a des musulmans mais aussi des chrétiens mais aussi des étrangers. Il y a beaucoup de musulmans qui le consomment. Avec euh, le ramadan, je ne les vois plus. Je ne sais pas euh, s'ils jeûnent ou pas, mais il y en a qui se déclarent comme des baïfals. Ils sont toujours ici, mais c'est après la rupture qu'ils viennent consommer. À consommation encore, il y a beaucoup de musulmans Démarrons cette page internationale avec Jean-Pierre Memba qui réclame à la Cour pénale internationale plus de 68 millions d'euros, dont 26 millions d'euros pour ses années de prison et 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. Son avocat Peter Aines accuse la Cour de négligence au Burkina Faso, deux otages français, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne ont été libérés lors d'une opération des forces françaises au nord du Burkina Faso. Dans un communiqué, l'Elysée a annoncé leur libération. Au cours de cette intervention, deux militaires ont été tués. Les deux Français avaient été enlevés le 1er mai dernier dans le parc national de la Pendjari où ils effectuaient une excursion. Pour les familles des otages français, la nouvelle de leur libération est un soulagement. Terminons avec la Libye qui menace de suspendre les activités d'une quarantaine de sociétés européennes établies dans le pays. Sur la liste figure une majorité de compagnies françaises et allemandes. Total, la société pétrolière française est en tête des sociétés suspendues. Parmi les autres figurent le groupe industriel allemand CMS et l'entreprise de télécommunications Alcatel-Lucent, filiale du finlandais Nokia certaines sociétés n'auraient pas renouvelé leurs autorisations depuis 2009 ou 2010. C'était tout pour l'actualité internationale.